Exode chapitre 38. Il fit l'autel des holocaustes de bois d'acacia. Sa longueur était de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées, il était carré. Et sa hauteur était de trois coudées, il fit aux quatre coins. Des cornes qui sortaient de l'autel, et il le couvrit des Il fit tous les ustensiles de l'autel, les cendriers, les pelles, les bassins, les fourchettes et les brasiers. Il fit des reins tous ces ustensiles, il fit pour l'hôtel une grille d'airain en forme de treillis, qu'il plaça au-dessous du rebord de l'hôtel à partir du bas, jusqu'à la moitié de l'auteur de l'hôtel Il fondit quatre anneaux, qu'il mit aux quatre coins de la grille d'airain. Pour recevoir les barres, il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'airain. Il passa dans les anneaux aux côtés de l'hôtel les barres qui servaient à le porter. Il le fit creux avec des planches. Il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il fit le parvis. Du côté du midi, il y avait, pour former le parvis, des toiles de fin à retors. Sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté du nord, il y avait 100 coudées de toiles, avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Occident, il y avait 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent, du côté de l'Orient. Sur les 50 coudées de largeur, il y avait, pour une aile, 15 coudées de toile, avec trois colonnes et leurs trois bases, et, pour la seconde aile, qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis, 15 coudées de toile, avec trois colonnes et leurs trois bases. Toutes les toiles formant l'enceinte du parvis étaient, de fin un retors. Les bases pour les colonnes étaient d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu, Pour pré cramoisi et enfin un retors, il avait une longueur de 20 coudées. Et sa hauteur était de 5 coudées, comme la largeur des toiles du parvis. Ces quatre colonnes et leurs quatre bases étaient d'airain. Les crochets et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient Voici les comptes du tabernacle, du tabernacle d'assignation, révisé. D'après l'ordre de Moïse, par les soins des Lévites, sous la direction d'Iam, fils du sacrificateur Aaron, Balil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, il eut pour aide Oliab, fils d'Aizamak. De la tribu de Dan, habile à graver à inventer et à broder sur les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et sur le fin, le total de l'or employé à l'œuvre pour tous les travaux du sanctuaire, or qui fut le produit des offrandes, montait à 29 talents et 730 cycles. Selon le cycle du sanctuaire, l'argent de ceux de l'assemblée, dont on fit le dénombrement, montait à 100 talents et 1007. 175 cycles selon le cycle du sanctuaire, c'était un demi-cycle par tête. La moitié d'un cycle selon le cycle du sanctuaire, pour chaque homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus soit pour 603 550 hommes. Les 100 talents d'argent servira. Fondre les bases du sanctuaire et les bases du voile, 100 bases pour les 100 talents, un talent par base. Et avec les 1775 cycles, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes. Et on couvrit les chapiteaux. Les reins des offrandes montèrent 70 talents et 2000. 400 cycles. On en fit les bases de l'entrée de la tente d'assignation, l'hôtel des reins avec sa grille et tous les ustensiles de l'autel, les bases du parvis tout autour, et les bases de la porte du parvis, et tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis.